le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Bienvenue à tous euh, au forum de la presse du studio Kalangou de ce vendredi 11 décembre 2020, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre les principaux faits et en marquer l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets ayant dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont le déroulement des campagnes pour les élections municipales régionales ouvertes depuis le 2 décembre dernier et pour la présidentielle premier tour couplé aux législatives du 27 décembre de la même année ouverte le 5 décembre dernier. Dans la deuxième partie de ce forum de la presse, nous reviendrons sur la célébration le mercredi 9 décembre dernier de la journée internationale de lutte contre la corruption, placée cette année sous le thème Rétablir avec intégrité. Une journée mise à profit par la HALCIA, la haute euh, autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, pour faire le point sur euh, la situation de la corruption au Niger et de mener des activités de sensibilisation sur la question. Enfin, nous discuterons du dépôt mercredi dernier devant le procureur du tribunal de Niamey d'un dossier constitué par trois organisations de la société civile nigérienne, à savoir Alternative Espace Citoyen, tournant la page, et le réseau des organisations de la société civile pour la transparence et l'analyse budgétaire au tabac dans l'affaire de présumé détournement de biens publics au ministère de la Défense nationale. Pour analyser ces différents faits de l'actualité, nous recevons nos confrères Maïmoune Gado, journaliste indépendante, Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Ousseini Issa Jibo. Il est également journaliste indépendant. Bonsoir et bienvenue au studio Kalangou, chers invités, à la présentation de ce forum de la presse, Michel Deji. Débutons par ce qui continue à faire l'actualité ces jours-ci. Il s'agit d'abord de la campagne électorale pour les élections municipales et régionales au Niger, ouverte le mercredi 2 décembre à 0 heure, et qui prendra fin ce jour vendredi 11 décembre 2020 à minuit, soit une durée de 10 jours telle que prévue dans le code électoral. Quels constats et commentaires vous inspirent les campagnes électorales pour les élections locales du dimanche 13 euh, décembre 2020, saint Nissa. Merci Michel. effectivement, comme vous venez de le dire, la campagne a commencé. Les banderoles, on voit des photos, quelques photos, n'est-ce pas mm-hmm. Et moi, pour moi, tel que les choses se passent, il n'y a pas tellement d'engouement mm-hmm. de la population. En tout cas, il n'y a pas cet engouement-là. On a comme l'impression que, bon, les gens, ils sont indifférents par rapport à ces élections-là. Quand on va dans les quartiers, on va et même quand les banderoles, on les voit, c'est pas pour tout le monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens des partis qui n'ont pas l'argent. Pour faire la campagne là, il faut avoir l'argent. Hmm. Si tu n'as pas l'argent, le peu, la popote là, tu vas aller donner. On est dans cette situation-là. Il y a une campagne, mais elle est timide. Elle est véritablement timide. Il n'y a pas de tentama dans la rue, les nuits. Il y a juste quelques partis politiques qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Hum. Moi, je considère que, bon, à partir de ce moment, il y a une désaffection, une, une désaffection vis-à-vis de la politique de manière générale. Hum. Les gens sont arrivés à un stade où ils se disent, bon, ça va servir à quoi Le jour où il faut aller voter là, je vais aller voter à qui je veux. Et je rentre chez moi. Mais je ne vais pas consacrer mon temps à venir m'asseoir sur un hangar ou, je ne sais pas moi, parce que je supporte un tel candidat ou un tel candidat. On, on en est arrivé là. Il n'y a pas de mobilisation. Véritablement, il n'y a pas de mobilisation. <laughs> Et là où il y a la mobilisation, c'est qu'il y a un peu de sous. Il y a un peu de sous où les gens peuvent mettre l'argent, ils peuvent euh, aller chercher les gens, ils vont venir, il y a musique, il y a tout. Ceux qui ne peuvent pas le faire, ils vont faire quoi Ils sont obligés d'adopter un profil bas. Maintenant, dans l'espoir que Dieu va arranger les choses. Merci à vous. Gaga Amadou, quels sont les enjeux de ces élections du dimanche 13 décembre prochain et que faut-il faire euh, pour qu'elles se déroulent dans de meilleures conditions Je crois que les, principaux enjeux pour les élections locales, c'est vraiment la représentation des citoyens au niveau des collectivités comprenez, au niveau des mairies, des conseils régionaux, etc., etc. C'est ça vraiment le principal enjeu. En réalité, c'est là que se trouve le vrai pouvoir, malgré tout ce qu'on peut penser euh, concernant les élections présidentielles. Les élections locales sont extrêmement importantes. Et effectivement, et, c'est étonnant de voir, c'est-à-dire que, comme, l'a dit aussi il n'y a pas d'engouement en réalité. Alors que les élections locales sont extrêmement importantes parce que mmh. c'est quand même la gestion des mairies, la gestion directe des populations. Et là, on voit que effectivement, euh, les certains partis politiques, je ne sais pas s'ils sont résignés. On dirait que les, les, les, ils se disent que bon, euh, on n'a aucune chance, donc bon, pourquoi gaspiller de l'argent C'est l'impression qu'on a. Ceux qui ont les moyens, effectivement, sont en train de faire, sont en train de mener campagne vraiment à circuler partout, à essayer de sensibiliser. Et je pense que ceux qui refusent d'entrer en campagne sous prétexte qu'ils n'ont pas d'argent, eh bien, ils vont se retrouver peut-être avec une portion extrêmement congrue le jour J, quand les résultats vont tomber. Et ce serait mm. dommageable pour eux. Je pense que il faut déjà. L'échec se trouve peut-être au niveau de la mobilisation des militants. Parce que vous savez, les partis politiques nigériens, on ne s'intéresse aux militants que quand les élections s'approchent. Mm-hmm. Et, et pourtant, dans les textes, il est bien dit qu'on doit participer à la formation des militants, n'est-ce pas À leur sensibilisation tout le temps, c'est-à-dire à leur faire avoir une certaine culture politique. Ça, c'est la charte des partis politiques. Mais bien sûr, mais, on ne le fait pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux militants quand les élections s'approchent. Et dommage, et maintenant, quand les élections s'approchent, les militants, on, essaie d'aller vers eux. Mais comme l'a dit Ouseni, mais les militants aujourd'hui sont déboussolés. En réalité, on a comme l'impression, on a comme l'impression, on a l'impression comme si eh, l'électorat nigérien ne s'intéresse plus à la politique nigérienne. Je ne sais pas ce qui fait ça. Parce qu'on a vu d'autres campagnes électorales en 2016. Ce n'était pas comme ça. Vous comprenez Même pour les législatives, il y avait une certaine... Et, chose bizarre, il y a un phénomène quand même qui m'a frappé et qui montre que peut-être quelque part aussi, euh, le, citoyen nigérien est en train de prendre une certaine conscience. Mm. Vous savez, on a assisté par les, années antérieures, quand les campagnes sont ouvertes, des banderoles qui sont déchirées. Quelque part, c'est un signe de ferveur de la campagne. Mais cette année, non. Les affiches sont là intactes. Personne ne déchire rien. Et moi, ça m'a frappé. J'en ai parlé à, à, à quelqu'un. J'ai dit, mais tu n'as rien remarqué Tu vas passer trois jours, les affiches, les banderoles sont intactes, personne ne touche. Je dit, mais comment tu peux expliquer ça Vraiment, c'est une situation étonnante à laquelle on assiste, mhm. mais peut-être qui montre que l'électorat nigérien n'est plus le bétail là qu'on connaît par le passé. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui réfléchit mhm. et qui, chaque acte qu'il va poser, eh bien, il sait pourquoi il l'oppose. Vous comprenez mhm. Donc, je pense que c'est ce qui explique cette, cette désaffection-là. Mais le jour où, comme l'a dit Hussein, les gens vont partir au niveau des bureaux de vote. Ils vont voter pour les candidats. Ce que je crains, c'est une baisse du taux de participation. On va surveiller ça de près cette élection-là. On va surveiller de près le taux de participation et le comparer au taux de participation des élections précédentes. Mmh. Voilà. Maïmoun Diado, est-ce que vous avez constaté à votre niveau également cette euh, timidité de cette euh, campagne pour les élections locales euh, qui a été exprimée par les deux qui vous ont précédé Oui, bon, <clears throat> comme l'a dit Garé Ousseini, c'est le même constat. Il n'y a pas d'engouement, Pourtant, Niamey est connu pour son effervescence euh, aux élections, les campagnes électorales passées. Mmh. Comme il l'a dit en 2016, quand on regarde en 2011, en 2016, c'était pas la même chose aujourd'hui que ce que nous vivons actuellement. Ça veut dire que soit il y a une prise de conscience euh, euh, de la population, mmh. la population en en a marre, justement, peut-être des discours de ces politiciens qui, qui, qui depuis combien d'années n'arrivent pas à changer les choses, les choses ne bougent pas comme ils le veulent, ou bien tout simplement, ils sont en train aujourd'hui de les sanctionner. Parce que oh, quand on regarde, c'est comme si c'est une sanction que ces populations sont en train de réserver à ces hommes politiciens. Donc vous craignez comme Garé que le taux de participation soit faible C'est ce que je vois. Mhm. Je crains que le taux de participation soit faible, en tout cas le jour, le jour J. Parce que quand on regarde, c'est comme si ils sont indifférents. Les Nigériens sont indifférents de tout ce qui se passe. Mangez-vous, c'est comme si mangez-vous entre vous, faites ce que vous voulez entre vous. Nous, en tout cas, on est des observateurs et on va aller voter pour qui on veut. Et <laughs> si on veut, on part voter. Si on ne veut pas, on reste chez soi à la maison. Mais ça ne vaut pas la peine aujourd'hui. Il y a une prise de conscience parce qu'on n'a pas vu de banderoles déchirées, on n'a pas vu des gens qui se bagarrent dans la rue pour des partis politiques. Tout ça, là, c'est une timidité. Mais nous, ça nous fait peur aussi. Parce que quand c'est timide, euh, on, craint tout. On, ça présage beaucoup de choses aussi. Comment est-ce que le Nigérien peut rester indifférent après tout ce qui s'est passé et après tout ce que peut-être le Nigérien espère également un changement Donc on voit cette timidité et c'est pas bon. Et c'est pas en restant chez soi ou bien en se contentant des réseaux sociaux qu'on peut faire bouger les choses. Les choses se, passent dans la rue, ça bouge dans la rue. Il faut montrer que vraiment euh, tu es convaincu que peut-être ce parti politique, une fois arrivé au pouvoir, va changer les choses. Mmh. Donc c'est ta participation, une volonté de participer aussi aux élections, même si c'est à distance, il faut le faire. C'est ça. Autre campagne électorale en cours, ce sont celles des élections présidentielles, premier tour du dimanche 27 décembre 2020, couplées aux législatives ouvertes depuis le 5 décembre dernier pour durer 20 jours, on l'a dit. Quelle analyse faites-vous à propos de ces campagnes et en quoi se distinguent-elles des campagnes pour les élections locales ou saint Qu'est-ce qui peut changer entre le 2 et le 5 C'est les partis qui présentent les mêmes candidats. Moi, je considère que les élections ont, la campagne a débuté le 2. Euh, Même pour les élections législatives. les, élections législatives, ça a débuté depuis le 2. Officiellement, ça a débuté depuis le 2. Les candidats qui veulent siéger au niveau des conseils, ce ne pas des candidats des partis politiques. Où est la différence C'est tout le monde qui est sur le terrain. Les militants des partis, ils sont tous sur le terrain. À partir du 2, là. Ils sont, tous ils sont censés être tous sur le terrain. Mhm. Maintenant, on est dans une situation où bon, on voit des véhicules avec des, des, post des candidats, des choses comme ça qui circulent et tout et tout. Ce n'est pas le même. Mais l'enjeu le plus important, Gary vient de le dire. Moi, à mon, à mon sens, c'est d'abord les élections locales. les élections locales, c'est des élections de proximité les gens considèrent que ce n'est pas important, alors que c'est ça le plus important. Parce que, parce que le maire de mon quartier ou le conseiller de mon quartier, là, je peux l'interpeller par rapport à, quelque chose qu'il ne peut pas faire. Le, le député, je ne peux pas l'interpeller. Le président, encore moins. Le président de la République. Quand les gens ne comprennent pas ça, parce que les partis politiques ne font pas l'effort de faire comprendre. Aux États-Unis, par exemple, l'élu local celui ton interlocuteur en tant que citoyen pour lui dire. Mm-hmm. Parce que les gens ont tendance à considérer que non, ça vaut rien. C'est quelqu'un du quartier. Mais quelqu'un du quartier que je connais est plus important pour moi que le président de la République. Que je ne connais peut-être pas. mais, il est plus important pour moi que le député. Alors, quand on veut maintenir la démocratie dans cette euh, logique-là, moi je considère qu'on ne fait pas la démocratie. Parce que la démocratie, d'abord, c'est la proximité celui que je peux interpeller, mhm. je peux lui dire mes vérités. Quand ça ne va pas, il est plus important pour moi que celui qui est en haut. Parce que celui qui est en haut, il ne m'écoute pas. Mais celui qui est à côté de moi, il sera gêné de me voir tous les matins, me présenter devant sa porte pour lui dire Je ne suis pas d'accord parce que les caniveaux sont bouchés. Est-ce que c'est ça la démocratie C'est la démocratie de proximité c'est ça le plus important, Michel. tout le reste, député, président de l'Assemblée, président de la République, tout ça, tout ça, c'est pas la démocratie. C'est ça, le sens de la démocratie. Allez aux États-Unis, vous allez trouver ceux qui sont localement, ceux qui sont interpellés et c'est eux qui font la loi. Parce que c'est eux qui sont confrontés et qui sont directement proches des populations, de leurs concitoyens. Là où tu as été élu, des gens peuvent faire une pétition pour venir te dire on n'est pas d'accord avec ça, il faut trouver une solution. C'est ça la démocratie, ce n'est pas des histoires de président ou de députés. Voilà. Oui, nous comprenons votre position. Il faut donc euh, donner plus euh, d'importance à ces campagnes de proximité. Dans l'ensemble, euh, Gary Amadou, est-ce que vous avez constaté des progrès dans le cadre du déroulement de ces campagnes, notamment la présidentielle, pour la présidentielle, mais aussi pour les législatives, dans le déroulement lorsqu'on compare aux années antérieures Non, ce qu'on compare, contrairement aux années antérieures, c'est vraiment l'absence de de, de, de, violence, parce que, vous savez, les campagnes électorales sont des moments de tension, d'extrême tension. Mais cette fois-ci, on a l'impression que vraiment euh, tout se déroule dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas beaucoup de... Bon, en tout cas, je, n'ai pas entendu de... Toute la, guerre se fait sur les réseaux sociaux. Mhm. Et le Niger a une particularité. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne partent jamais voter. C'est ça leur problème. Ceux qui passent tout le temps en train de faire du bruit sur les réseaux sociaux, là, ils ne votent même pas. Ça dit, ils considèrent qu'ils préfèrent rester câblés et chatter sur, les, sur WhatsApp et tout ça là. Ah, c'est à laisser le portable à partir, faire la file pour. Ils trouvent que c'est une perte de temps. Donc, les gens qui sont sur les réseaux sociaux là, j'ai l'habitude de dire ici, les réseaux sociaux ne font pas les élections. Les réseaux sociaux ont fait beaucoup de bruit dedans. Mais <laughs> l'électorat, c'est celui qui va au niveau des trucs. Je pense qu'au niveau des. ce qu'on est en train de décrire, c'est la, la, situation de Niamey. Mm. Bon, on n'a pas la situation au niveau de l'intérieur du pays. Mais j'ai comme l'impression qu'au niveau du monde rural, on semble plus conscient de l'importance de ce que Hussein appelle là, les autorités, euh, les autorités, euh, lui, communal. C'est ça le paradoxe de la situation. En ville, en principe, les gens sont partis à l'école. Ils sont censés comprendre que non, non, c'est en ville qu'on considère que quand il y a un conseiller à la mairie, c'est quoi Ah non, au village, c'est pas comme ça. C'est de l'inconscience. C'est-à-dire qu'ici, les gens savaient l'importance des autorités locales là. Comme l'a dit Hussein là, quand, ton quartier est sale, quand eh, eh, eh, les animaux sont, en train. C'est lui que tu vois. Mais je t'assure que c'est au village qu'on comprend l'importance des autorités locales. Mhm. Et c'est ça le paradoxe. Pourtant, eux, ils ne sont pas partis à l'école. Vous voyez à quel point on est en train de régresser dans les villes, on considère que non, c'est quoi, un conseiller Il est juste conseiller à la mairie, il ne faut, pas, le voir, il fait le malin, il a une moto. Il a une moto, mais ce monsieur-là, comme l'a dit Hussein, il est extrêmement important. Mhm. Parce que quand il y a, comme, comme, l'a dit, quand il y a des petits problèmes quotidiens là, n'est pas le député que tu vas partir voir. Ah non, non, non. C'est lui que tu vas partir voir. Eh, regarde, nous, dans notre quartier là, ici, le caniveau là, comme l'a dit Hussein, il est bouché, ça fait plusieurs semaines. Et lui, il va aller voir le maire, et, et puis on va euh, régler la situation. Mais au village, allez-y dans les villages. Je vous assure, au village là, les locales là, sont extrêmement importantes et les gens sont mobilisés. Les partis politiques qui l'ont compris sont déjà de la brousse. Ils sont dans la brousse en train de, en train de, conscientiser les militants pour leur dire sortez voter. Il n'y a pas de petite élection. Votez pour les locales, votez pour les législatives, votez pour la présidentielle. Maintenant, peut-être, il faudrait faire beaucoup de sensibilisation concernant le bulletin unique. Parce que ça va faire beaucoup de catastrophes, surtout dans les villages avec 30 candidats. Ah oui, sur une liste <laughs> Ah, mais il faut faire. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire une campagne, et eh, comment je vais dire, à 30%, là, il faut mettre 90% pour expliquer aux villageois comment, sur la liste là. Parce que le villageois a tendance même à confondre les gens. Vous voyez Vous oui le villageois a tendance à confondre. Il faut faire vraiment une bonne campagne de sensibilisation pour que les villageois comprennent que annoncer ah la liste, il faut bien voir le temps, il faut bien voir sur la photo celui qui est celui que tu veux. Et déjà les partis politiques, donc il faut queux mêmes ils partent au niveau des villageois pour montrer ces photos-là qui seront sur, sur le bulletin. Pas d'autres photos. Oui. C'est-à-dire les spécimens et leur montrer. Voilà, voilà, c'est ça, ça, ça, ça. Mais est-ce que moi, je n'ai pas encore vu de spécimens qui sont en train d'être euh, distribués au niveau, en tout cas, dans le cadre de euh, Ça circule déjà sur les réseaux sociaux Oui, sur les réseaux sociaux. Mais, mm-hmm. est-ce que les partis politiques sont en train de les utiliser au niveau mm-hmm. des citoyens pour leur expliquer C'est ça la question. Alors que ça doit être fait justement pendant cette période de campagne. Mais, est-ce que vous avez constaté certaines insuffisances à part ce qui a été dit Bon, je pense que comme euh, les autres aussi, c'est les insuffisances, c'est à peu près ce que Garé a expliqué ici. Mhm. Maintenant, il faut euh, tout simplement que ces partis politiques, euh, en tout cas, expliquent à ces militants comment est-ce que le bulletin unique, là, comment est-ce qu'il faut voter avec ce bulletin unique. et, ensuite, leur expliquer également, parce que la force d'un parti politique, je l'ai toujours dit, c'est les élections municipales. <coughs> La force d'un parti politique, si tu veux vraiment, réellement savoir si euh, euh, euh, si, si, si, réellement au niveau donc de la population, ces populations accordent de l'importance à ton parti politique, il faut gagner ces, élections, les mairies. C'est ça, en fait. Parce que ça, les mairies, je ne vois pas comment est-ce qu'un parti politique aujourd'hui peut espérer diriger un pays surtout comme le Niger, où la, la, près de la moitié même se trouve au niveau donc, euh, du monde rural. Mmh. Ça serait très difficile et ça serait très compliqué. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, euh, on ne cesse d'attirer l'attention donc de ces partis politiques. On ne crée pas un parti politique pour aller s'asseoir et attendre les élections. On crée un parti politique en espérant avoir le suffrage nécessaire et convaincre les électeurs. Aujourd'hui, ils sont combien ces partis politiques qui peuvent convaincre <laughs> les populations nigériennes Ils ne sont pas beaucoup ces partis politiques. Parce que d'autres partis politiques, on crée les partis politiques, vous n'avez même pas de quoi aller aux élections, vous n'avez même pas de quoi faire les campagnes. Mais est-ce que ça vaut la peine de créer un parti politique ça ne vaut pas la peine de créer un parti politique. Moi, je me dis. Parce qu'un parti politique, on crée un parti politique, c'est pour regarder demain, devant soi, qu'est-ce que je peux espérer, qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce que je peux avoir de ces populations. Mais quand au retour, il n'y a pas l'ascenseur au niveau de ces populations, c'est-à-dire que ce n'est plus un parti politique. Je suis désolé. Mm-hmm. Un aspect important de cette campagne, c'est que elle se poursuit actuellement sans Hamamadou, mm-hmm. le candidat investi par euh, le principal parti de l'opposition, dont le dossier n'a pas été validé par la Cour constitutionnelle à cause de sa condamnation à un an de prison dans l'affaire dite euh, de supposition d'enfant, Ce dernier n'a cependant toujours pas donné de consigne de vote à ses militants. Hussein Issa, pourquoi ce silence de Hamamadou Et à quoi faut-il s'attendre dans les jours et semaines à venir eh, Tu me poses une question épineuse. Pourquoi son, silence Est-ce que moi je peux te répondre par rapport à son silence Est-ce que je suis dans sa tête Politiquement, est-ce qu'on peut comprendre euh, Mais non, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Je pense que ce monsieur, il a quand même été éprouvé dans sa vie. Mm. En tout au cours de ces dernières années, il a connu tout. L'exil, la prison, tout. Mais Hamma, ce n'est qu'un être humain comme n'importe qui. C'est un citoyen comme n'importe qui. Il a quand même une équipe qui est là. Est-ce qu'il revient à Hamma forcément que ce soit lui qui décède à la place de Lumana, le parti, son parti politique Ou bien il y a des lieutenants qui sont là qui doivent quand même faire le travail. C'est ça le problème qui se pose aujourd'hui. Pourquoi il s'était C'est un messie. Hein Est-ce que c'est un messie il a des, personnes qui ont gagné de l'argent, qui ont tout Pensez-vous qu'il a intérêt à continuer à garder ce il va dire quoi Mais silence par rapport à quoi Dire quoi à qui mm. À quelques encablés des élections de ces élections-là, ils ont mis en place une coalition pour CAP 2021. Mais depuis la disqualification de sa candidature, personne n'est sorti dit voilà notre position par rapport à ce qui a été fait. Vous pensez que c'est euh, une pierre qui, y a au niveau de son cœur Personne, personne n'est sorti pour dire vraiment notre position par rapport à ce qui vient de se passer. Personne. Personne. Ou bien vous avez entendu quelqu'un Personne. Alors, s'il si s'était, il sait pourquoi il s'est tué. Maintenant, qui donne consigne de vote ou pas Dans tous les cas, c'est une affaire des Nigériens. <laughs> Chacun, si tu dois aller voter, si tu veux aller voter, tu vas aller voter. Si tu ne veux pas aller voter, tu viens chez toi. Mais pourquoi dois-tu sortir pour dire à quelqu'un Il faut. Chacun est libre d'aller voter où il veut. Le vote est. Euh, non. Hmm. <laughs> Mais Mouna, le, vote est quand même un acte indépendant. Je peux prendre ma carte là. Le jour du vote, je peux ne pas aller voter. Est-ce que quelqu'un va venir me gronder à la maison Pourquoi tu n'es pas allé voter voilà ma réponse par rapport à ça. Merci. Est-ce que vous pensez qu'il y a des citoyens qui attendent que Hamamadou réagisse et qu'il leur donne euh, des consignes de vote Non, euh, c'est-à-dire qu'au euh, niveau de l'Oumana, la situation est, telle que même si Hamamadou donne des consignes, ce n'est pas évident que ça soit suivi. Et puis, effectivement, comme Hussein l'a dit, Hamma a bien remarqué que quand il a été disqualifié, la CAP 21, là, qui est censée être une structure solidaire de l'opposition, Chacun a fait. vous savez que dès qu'on a disqualifié, chacun est parti dans, sa direction. Pour, pour, pour. Les secteurs sont même candidats. Mais, vous savez, la politique eh, au Niger, c'est pratiquement un jeu d'hypocrisie. Les gens vont se retrouver dans des regroupements alors qu'ils ne s'aiment pas. J'ai l'habitude de dire ici, sur ce plateau, j'ai dit c'est des regroupements factices ça ne se base sur rien du tout. Parce que les gens font des calculs entre eux. C'est je t'aime moi non plus. Ils ne s'aiment pas. Vous comprenez mm-hmm. et, même, et maintenant, ça dit que euh, euh, qu'est-ce qui aurait été bien pour l'opposition Mais un des vôtres a été disqualifié. Le minimum, c'est une déclaration. N'est-ce pas minimum une déclaration de, soutien à celui-là quand même avec lequel vous étiez dans le, même truc. Non. Ah, on dirait que ça les arrangeait. Alors, certains qui, qui sentaient venir ont déjà avaient commencé à lui faire la cour et la cour à ses militants à travers des, des, participations à certaines activités. Vous comprenez Chacun voulait que Hamal le soutienne sans aimer Hamma. Est-ce que vous comprenez C'est la situation dans laquelle l'opposition était. Pratiquement tous les leaders, aujourd'hui là, ils attendent tous que Hamma donne une consigne. Ibrahim Yacoub veut dise, que, eh, Hamma dise aux militants de l'Oman de voter et eh, L'autre, comment on appelle ça là Ladan eh, La Danchana veut que Hamma dise aux militants de l'Oman de voter. Bon, moi, en attend que Hamma dise aux militants de l'Oman de voter. Ils sont tous là en attente. Mais comme l'a dit Ousseini, <laughs> Moi, si j'étais à la place d'un je serais tenté de dire, mais écoutez, quand on m'a disqualifié, qu'est-ce que vous avez fait Aujourd'hui, il peut simplement dire aux militants, mais écoutez, vous êtes des grands enfants, mais allez-y. Votez pour le candidat de votre choix. Votez pour le candidat de votre choix. Moi, Et même lui, je pense que quelque part, peut-être, il y a une déception par rapport à ses amis, entre guillemets. Parce que depuis qu'il a été disqualifié pratiquement, il ne dit rien. J'ai comme l'impression que lui-même, il, il, doit être déçu de ses amis. Il doit être déçu parce que on a, vu, une certaine solidarité quand même exprimée à travers euh, les requêtes adressées à la Cour euh, constitutionnelle, notamment en ce qui concerne euh, la question de la nationalité d'origine. Et d'ailleurs, on se rappelle, cette première semaine de campagne a été surtout marquée par le débat sur cette nationalité d'origine du candidat du parti au pouvoir, Bazoum Mohamed. Il y a eu une décision le 3 décembre dernier, le juge qui <laughs> avait... Michel, oui. Mais euh, attends, tu vas. Attends, s'il te plaît. C'est pour savoir, est-ce qu'avec le dernier arrêt qui a été rendu, est-ce qu'on peut penser que cette affaire est close euh, C'est-à-dire euh, l'arrêt qui date du 8 décembre 2020, qui a rejeté la requête de Abdul Mourou. oui, qui a rejeté. Alpha, qui a. La Cour qui a jugé donc non fondée cette question. D'abord, les requêtes là ne sont pas faites pour Hamas. Ah non, non, ils font ça pour eux-mêmes. Est-ce que tu comprends C'est-à-dire qu'ils font ça pour eux-mêmes, pour leur propre calcul. Leur but, c'est essayer coûte que coûte de disqualifier le candidat qui semble le plus favori pour gagner l'élection. C'est ça qui va leur permettre, eux, ils pensent, de tirer leur épingle du jeu. Et la plupart de ceux qui portent plainte, c'est pratiquement des gens qui ont des partis microscopiques qui ne sont même pas en train de battre campagne. Mais est-ce qu'on peut dire que cette affaire est euh, Vous savez, moi, il y a un détail qui me, j'étais en train de réfléchir quelque chose qui me, qui me surprend. Hmm. Et puis, qui m'amène à m'interroger. Comment se fait-il que la Cour constitutionnelle rend un arrêt et que l'article 134 de la Constitution dit que les arrêts de la Cour ne sont susceptibles de court recours, ils s'imposent à tous. Comment se fait-il que, par la même occasion, je ne sais pas par quelle gymnastique, le code électoral permet qu'on fasse de... Pour moi, il y a un problème entre les dispositions du code électoral et la loi fondamentale. L'article 134, il est très clair. Moi, je ne comprends même pas ces requêtes après arrêt de la Cour constitutionnelle. J'aimerais qu'on m'explique. Parce que pour moi, c'est une bizarrerie. Les arrêts de la Cour, là, on ne peut pas les remettre en cause. Et ça veut dire quoi, ces requêtes-là Ça veut dire que alors, si on peut, faire les requêtes après un arrêt, ça veut dire que la Cour peut revenir sur son arrêt C'est ça que ça veut dire Mais expliquez-nous. Ça n'a aucun sens. Il y a une contradiction flagrante, épouvantable que les juristes doivent nous expliquer. Comment se fait-il qu'on a pu mettre au sein du Code électoral des dispositions qui permettent, après un arrêt, que cette pagaille-là, à tour à travers, pratiquement chaque jour, les gens font des requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. Merci, on vous comprend, savez, est-ce que vous pensez qu'il s'agit là d'une pagaille, euh, ce qui a été dit autour euh, de la nationalité d'origine de Bazo Mohamed moi, ce mmh. débat, moi, débat-là, c'est un débat qui peut être clos. Mmh. Là où je suis assis, là, Michel, mmh. vous allez me dire d'amener mon papier, de, mon acte de naissance, là. Je vais venir prendre ça. Il faut zoomer. Quelle nationalité, tout ça. Ça n'a même pas lieu d'être comme un débat. À partir du moment où tu rentres à l'école, il y a déjà actes de naissance. En tout cas, le dossier scolaire qui va être. Voilà. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas. Je suis en train de dire. On, t'établit. Moi, je suis resté dans une région, la, la même région où le problème s'est posé. Je suis resté et je suis resté avec un ami qui était juge de paix au niveau de Méné. J'ai l'habitude de le suivre pour aller sur le terrain, que Dieu ait son âme, il est décédé aujourd'hui. Sur le terrain, pour faire des campagnes foraines pour l'établissement des pistes d'état civil. C'était dans le, aux années, machin, vers la fin de la décennie 90. Ce que je suis en train de dire. Je veux dire, on peut clore ce débat-là. Très facilement. Très facilement, ce débat pouvait être c'est pas compliqué de montrer parce que moi, pour moi, ce n'est pas possible de quelqu'un vient dire on, on, sort des documents par-ci, par-là. Non. Ces documents-là, on ne les cache pas. La nationalité ne se cache pas. L'acte de naissance ne se cache pas. La nationalité ne se cache pas. Tous, les autres documents. Quand tu as besoin d'un certificat de, de, Comment on appelle ça de, On appelle ça. Ce truc casier judiciaire, tous les trois mois, ça expire. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es né, où on t'a établi ça, il y, a, toujours des traces. Vous avez souhaité donc euh, que Bazoum euh, publie je les pièces d'état civil. Je l'ai toujours dit. Merci, c'est votre souhait. Je suis allé même... interroger des gens qui sont quand même... Il y a quand même une décision de justice qui est là. On va clore ce débat. On va clore ce débat. C'est votre souhait. Et garé a une position contraire. On vous comprend tous les deux. Oui, Maïmoun Gado, pour terminer, votre mot, votre analyse de cette situation. Est-ce qu'il faut estimer que ce débat est clos et faire euh, autre chose euh, moi Je pense que ce débat devrait être clos depuis, comme l'a dit Ousseï. Mais avançons avec ceux qui nous attendent devant nous. Gary, on vous a bien compris en fait. En quelques secondes alors. En quelques secondes. En quelques secondes. Vous savez, moi je respecte les institutions. Vous comprenez mhm. Même ceux qui, portent, ceux qui sont en train de déposer les requêtes, ils savent très bien que Bazoum c'est nigérien. Mais depuis, à chaque élection. D'origine, ils ont dit. non, à, chaque élection, à chaque élection. Non, attends, s'il te plaît. Mhm. C'est Non, c'est juste pour préciser, en fait, ce que la Non, c'est un Nigérien. Mhm. Ses parents sont nés ici. Il faut laisser. Il faut pas suivre les gens qui sont en train de raconter des, des histoires sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne font pas des élections. La Cour constitutionnelle, toutes les requêtes qui ont été posées, elle a motivé son arrêt. Elle dit qu'il n'y a pas lieu. Elle dit que les mêmes pièces, c'est pas pour une question de numéro, qu'on va remettre en cause un, acte, acte de nationalité, euh, alors que les mêmes pièces. Non, non s'il vous plaît, on va, on va, on va, on va continuer. elle a bien dit. Sinon, la, la, Cour constitutionnelle, dans son dernier non, non, elle a dit que d'appréciation. Elle a dit que non, elle a dit que le problème de numéro ne peut pas remettre en cause la légalité de l'acte parce que ce sont les mêmes pièces qui sont contenues dedans. Les pièces de la mère et les pièces du père. Mais il faut arrêter. Moi, je, non, les gens veulent entretenir. Non, il y, a, y a un dilatoire. Il y a un dilatoire qui est fait. Non, Mousseini, c'est du dilatoire que les gens font. Vous plaît, Ils savent nous nous allons passer à autre chose. Dans tous les cas, nous avons un arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais c'est terminé ça. L'arrêt est là. On avance voilà, sur la base de l'arrêt que nous avons. On tourne la page par rapport à ça. On est d'accord. On est d'accord par rapport à ces questions-là. Par rapport à ces questions-là. Ça veut dire que demain, un Congolais peut venir. Non, c'est pas un Congolais. Ah il ne faut pas comparer Bazoum à un Congolais. Bazoum, Bazoum, a quand même participé en fait. à l'histoire démocratique du Niger depuis la conférence nationale. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse qui concerne la célébration le 9 euh, décembre dernier de la Journée internationale de lutte contre la corruption, placée cette année sous le thème Rétablir avec euh, intégrité la HALCIA, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, a à cette occasion mené plusieurs euh, activités visant à faire le point de la situation de la corruption au Niger et à sensibiliser les citoyens sur la question. Rappelons que le dernier rapport de l'ONG Transparency International classe le Niger 59e sur 180 pays classés en termes d'indice de perception de la corruption. En 2018, euh, un était le 114e sur 180 pays classés et de 106e en 2009. On voit bien que la courbe n'est pas linéaire, mais qu'est-ce qui est à la base de cette euh, corruption et que faire pour l'indiguer ou ça hein? On va faire quoi, pour l'indiguer? La corruption, euh, s'il te plaît, les proportions que la corruption a prises ces dernières années-là, on n'a jamais connu autant de corruption et surtout l'impunité. Mhm. Ça, tout le monde est d'accord avec moi par rapport à cette question-là. on a mis en place... lutter <coughs> contre l'impunité, on vous a compris, nous n'avons que quelques minutes pour terminer. Mais quelques minutes. Euh, tu me comment faire pour l'endiguer mhm. Quand on met en place des structures... Vous avez donné votre solution Non, quelle solution Je n'ai pas de solution. La il solution... faut lutter contre l'impunité. Non, il, faut, il faut il faut mettre fin à l'impunité. C'est ça, justement. Vous détournez de l'argent, vous faites vous posez des actes qui sont susceptibles de vous amener en prison. Il faut que vous, vous ayez en prison. Mais quand on met des mécanismes en place qui sont là, qui travaillent, parce que je suis d'accord, la a fait du bon travail. Mais est-ce que la a été suivie dans sa démarche Est-ce que ça a été suivi est-ce que la il y a eu beaucoup de dossiers, la a traité, a, mais est-ce qu'on a sanctionné on ne peut pas mettre fin à la corruption tant qu'il n'y a pas de sanctions. C'est pas possible. mon Diado, qu'est-ce que les citoyens en gagneront, par exemple, en arrivant à faire ces élections sans corruption Mais beaucoup. Si aujourd'hui on arrive à faire les élections sans corruption, mais le Niger a gagné. A gagné parce que je me dis que euh, avec ce que nous voyons, euh, où il faut corrompre l'électeur, il faut lui donner de l'argent, il faut lui donner euh, des pagnes, il faut lui donner la nourriture même pour pouvoir aller voter pour un candidat. Mais si on arrive à mettre fin à tout ça, mais c'est bien. Gariamodo, pourquoi la corruption, malgré tous les engagements pris souvent au niveau des responsables étatiques Oui, c'est comme l'a dit Hussein, peut-être c'est le, le manque de, de, de, sanctions. Mm. Parce que s'il y a bien un domaine dans lequel les Nigériens restent sur leur faim, c'est vraiment les sanctions en matière de, euh, de, corruption. Mm. C'est-à-dire les Nigériens n'ont pas vu assez de signaux qui leur permettent de comprendre que la, corruption. a donc, ce qui fait que, pour moi, eh, et la RCA, comme il a dit, a fait, a fait ce qu'elle a, fait, elle a pu faire. Mais franchement, il faudrait que euh, celui qui va devenir président ou les prochaines autorités qu'elles mettent vraiment un accent extrêmement euh, important sur la lutte contre la corruption avec des actes précis et concrets. C'est-à-dire que celui qui, qui, détourne par mesure conservatoire, il faut l'amener en prison avant même un procès. Ça, c'est possible. Mmh. Mais la, chose sur laquelle je suis sceptique, c'est la corruption en matière électorale, parce que c'est ça le vœu de l'Alsia. Mais ça, c'est compliqué dans un pays pauvre où. <laughs> Eh, ça veut dire si les gens sont pauvres, ils sont obligés d'être corrompus Non, c'est pas qu'ils sont obligés d'être corrompus. C'est-à-dire que eh, eh, une famille pauvre, un candidat vient, il amène un sac de riz, c'est une corruption. Mhm. Vous comprenez La corruption, c'est pas l'argent. Vous comprenez Il amène un sac de riz. Bon, quelqu'un qui n'a pas de riz à la maison. Ça. Vous pensez qu'il va dire Ah non, non, non, ça, tu veux me corrompre, je ne pas. Non. C'est la pauvreté qui fait ça. Pour la, c'est l'achat de conscience. Oui, l'achat de conscience. C'est ça qui va se passer. Les gens. Comment faire Que faire alors pour lutter contre cet achat de conscience Que faire C'est ça. C'est le rôle des partis politiques de former leurs militants, de former l'électorat. L'électorat, c'est pas du bétail. Il faut le former. Il faut Mais pour que la corruption puisse diminuer, mais est-ce que ça ne profite pas à certains partis politiques, l'achat de conscience Mais ça profite à tous les partis politiques. Tu vois, un qui... À ceux qui n'ont pas de moyens, par exemple. Mais ceux qui n'ont ça Mais attends, c'est qui qui n'ont pas de moyens on a cette, cette année, on a exceptionnellement combien de candidats à l'élection présidentielle 30 qui ont versé tous combien Merci. <laughs> S'il te plaît, Michel, <laughs> Terminons par notre dernier sujet. Il s'agit du dépôt mercredi dernier devant le procureur du tribunal de Niamey d'un dossier constitué par trois organisations de la société civile nigérienne, à savoir Alternative Espace Citoyen, Tournons la page et le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire rotable dans l'affaire de présumé détournement des biens publics au ministère de la Défense nationale. Écoutons tout d'abord l'un des responsables de ces structures en l'occurrence Ali Idris Nani, coordonnateur national du Rotab. Il explique que le dossier est monté depuis la France. On l'écoute au micro de Nafisa Adamoussilfo dans le cadre du détournement au ministère de la Défense. Nous avions constitué un avocat en France qui a fait le dossier et aujourd'hui nous sommes censés présenter ça devant le procureur. On a effectivement été reçu par le procureur qui a bien pris en charge notre dossier, l'a enregistré et nous a donné rendez-vous dans les jours à venir pour nous dire la suite qui est donnée à notre dossier. Avant, vous entendez bien, on parle de centaines de millions détournés. Maintenant, au Niger, on parle de milliards et ça ne gêne personne, ça ne dérange personne. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous pensions bien qu'il faut arrêter l'hémorragie. Nous sommes sûrs qu'il y aura justice dans ce dossier ministère de la Défense. Quelle réaction au CNSA Qu'est-ce qui bloque dans la manifestation de la vérité dans cette affaire eh ben, Dites euh, du ministère de la Défense. C'est de ça on vient de parler là. Ça dit c'est l'impunité. Il y a eu des cas où on a voilà le dossier a été présenté. C'est quand même l'État qui a euh, engagé, comment dire, ce rapport-là, qui, euh, qui, a, diligenté ce, ce, rapport. Mhm. Le rapport est sorti, il y a des commerçants. les gens ont on ne sait même pas c'est quoi. Maintenant, les fonctionnaires de l'administration, parce que moi, je peux pas, en tant que commerçant, je ne peux pas me donner un marché. Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque Parce qu'on veut créer une situation d'impunité. Pendant qu'il y a des gens qui sont morts, des soldats et autres, non, vous savez, les choses sont tellement simples quand on voit ce qui se passe en Occident, qui que tu sois, ministre, président de la République, tu es impliqué dans quelque chose, tu vas aller répondre devant la justice. Dans nos pays, qu'est-ce qui se passe À partir du moment où tu as un poste de responsabilité, tu peux échapper à la justice. C'est ça, c'est l'impunité. Parce que normalement, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'en France. Ils n'avaient même pas besoin d'aller jusqu'en France pour constituer un avocat et demander à ce que la lumière soit faite. Parce que le dossier est, revenu en surface au niveau en France. C'est ça, c'est ça la situation. Maïmoun Gado, comment faire pour qu'il n'y ait plus de détournement de fonds au Niger, surtout dans des secteurs euh, sensibles tels que l'éducation, la santé, la défense nationale Est-ce que ça serait possible mhm. C'est ça. Est-ce que <laughs> est-ce qu'on peut mettre fin à ça de détournement de fonds euh, au niveau donc. On euh, peut atténuer l'ampleur. Euh, on, peut atténuer l'ampleur comment Quand des gens détournent de l'argent et qu'ils ne sont pas inquiétés. Donc, c'est-à-dire qu'on leur donne la largesse aussi de continuer. <coughs> Et ceux qui viendront feront également pire. Ah, mais oui, c'est un mauvais exemple que nous sommes en train de, de, de voir. Tant qu'on ne sanctionne pas. Il faut sanctionner. On revient sur la sanction tant qu'on ne le sanctionne pas, mhm. je ne vois pas comment est-ce qu'il faut, on peut mettre fin à ça. Les nouvelles autorités qui vont arriver doivent ça très euh, difficile. Il faut que les nouvelles mettre fin à l'impunité. C'est cela, on a compris. Gary Amadou, pour terminer, peut-on espérer que la lumière soit faite avant la fin du mandat du président actuel Issoufou Mamadou en début avril 2021 par rapport à cette affaire du ministère de la Défense, puisque il y a une action qui est posée là. Oui, je ne sais pas. Je ne suis pas un devin pour prévoir l'avenir. Mais ce que j'ai dit, la justice a son rythme. Mais tu peux me demander quel est mon souhait. Mon souhait est que toute la lumière soit faite dans cette affaire du ministère de la Défense. Et ceux qui ont bouffé de l'argent, ceux qui ont fait des malversations, et eh bien qu'ils puissent rendre gorge. Voilà mon souhait, Michel. Merci beaucoup, merci à vous tous. Nous sommes euh, au terme de ce forum de la presse euh, du studio Kalangu on vous comprend bien sur euh, les différents aspects. Nous avons eu des points de divergence. Euh, nos téléspectateurs et auditeurs analyseront eux-mêmes pour mieux comprendre euh, les différents aspects que vous avez abordés. Nous étions avec nos trois invités, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Hussein Issa journaliste indépendant, et Maïmoune Gado, journaliste indépendante également, Michel Deji à la modération à la régisson Abdulkader Chombiano et à la réalisation vidéo Mustafa Yuba. Au nom de toute l'équipe, nous disons un sincère merci à nos invités. Merci aussi à vous, chers auditeurs et téléspectateurs des 46 radios et 6 télévisions partenaires du studio Kalangu qui diffusent ce forum. Passez une excellente soirée et au revoir.